On ferme la frontière de Goudel. Ah oui, on ferme. Ah, on a le Borambissa, on a Ambissa. On a le Borambissa. Goudel, on a le Ambissa. On ferme la frontière de Goudel. Bah, vous prenez.